forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 7 de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du forum du studio Kalangou. Le programme du studio Kalangou que vous écoutez d'une part à travers 20 radios partenaires présentes dans tous les chefs-lieux de région du Niger et dans bon nombre de départements et d'autre part à travers les réseaux sociaux. Ce soir, nous allons consacrer une grande partie du forum sur la célébration du 18 décembre, date anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Célébration qui s'est faite depuis quelques années de région en région et dénommée fête tournante. Nous irons à Dosso et à Maradi où s'est tenue respectivement cette fête tournante pour voir ce dont ces régions bénéficient en termes d'infrastructures et comment ils sont préservés. Nous aurons également une idée, nous irons également savoir quelques idées sur des projets qui sont restés inachevés après le passage de cette fête tournante. Nous ferons également un tour à Agadez pour savoir l'état des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre prochain, intitulée Agadez Sokni. Ce sera avec euh, notre correspondant, notre envoyé spécial, Diallo Mariama Kenda, depuis Agadez. Bonsoir à tous. Le 18 décembre de chaque année coïncide avec la date anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Pour donner plus de vivacité et d'impact à la célébration de cette date, le, régime de la Ve République a initié sous le régime de Tanja Mamadou la fête tournante. L'idée de départ était de faire une rotation entre les régions et au passage chaque région bénéficie d'infrastructures de tout genre interrompues durant la transition militaire jusqu'à plus de deux ans après l'installation des autorités de la 7e République, cette fête tournante a repris son bonhomme de chemin. C'est ainsi qu'en 2014, la région de Dosso a accueilli la fête tournante dit Dosso, dite Dosso Soga, qui signifie Dosso la coquette. Trois ans après le passage de cet événement, qu'est-ce qui reste des acquis de cette fête Quelles sont les réalisations qui sont encore restées inachevées Ce sont entre autres questions auxquelles répond un confrère de Dosso qui a suivi l'événement du début à la fin. Il s'appelle Moussa Moumouni, il est journaliste et il répond aux questions de notre correspondant à Dosso, Daouda Hassan. Avant le 18 décembre, comment est-ce que vous voyez eh, la commune urbaine de Dosso Sincèrement, il n'y avait rien en tout cas eh, qui faisait de Dosso une ville en termes euh, de toute forme d'infrastructure, notamment les infrastructures routières qui étaient très dégradées et cela presque toutes les routes. En dehors de la nationale numéro 1 qui traverse eh, la ville de long en large, de d'est en ouest, et presque toutes les infrastructures routières et intra-urbaines étaient défectueuses. Et quand il s'agit d'autres infrastructures, et en termes d'agrandissement de la ville, comme euh, par exemple les hébergements, et il faut reconnaître que Dosso souffrait beaucoup du manque, par exemple, d'hôtels. Et avec euh, le 18 décembre, non seulement le projet mais réalisation aujourd'hui, vous le voyez, Dosso accueille presque toutes les rencontres euh, nationales. Et ici au Niger, les gens préfèrent se rencontrer à Dosso. C'est à cause de la qualité des infrastructures que le 18 décembre a fait naître ici à Dosso. Et il y a eu des hôtels qui existaient déjà qui ont été rénovés, de nouveaux hôtels qui ont été créés. Et également, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a deux grandes cités eh, qui sont nées dans la lancée du 18 décembre. Eh, cité Mangé, qui était née avec 30 euh, villas. Et également, il y a la cité du 18 décembre eh, qui est située à l'entrée de Dosso. Les villas qui ont été construites, qui continuent aujourd'hui à servir en tout cas de cadre d'hébergement et commode pour les différentes catégories d'hôtes. Moi, je peux vous dire que sincèrement, le 18 décembre sur ces plans a beaucoup beaucoup et boosté Dosso en termes de développement urbain. En dehors de cela, il y a également d'autres services qui sont nés parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a eh, la direction nationale euh, de la police qui est construite aujourd'hui et qui est définitivement qui est finie. Il reste tout simplement qu'à accueillir eh, les locataires. Il y a également au niveau, par exemple, de la station régionale de l'ORTN, il y a eu eh, un centre de presse qui a été mis en place et, et doté de tout le matériel nécessaire. Et il y a même euh, sur le plan des infrastructures routières, j'allais oublier, et de nouveaux goudrons qui ont été construits. Et ces goudrons aujourd'hui résistent euh, vraiment. deux ans, et nous entrons dans la troisième année, résistent. Moi, je peux dire que en termes de bénéfices, Dosso a véritablement bénéficié, plus que d'autres régions en tout cas, des réalisations en termes de 18 décembre. Après le 18 décembre, comment est-ce que vous voyez l'entretien de ces par rapport à cela, toutes les radios avaient organisé différentes formes, des magazines, des reportages, des débats pour qu'il y ait, on, réfléchisse au niveau de Dosso à la mise en place d'un système eh, de gestion de ces infrastructures pour que non seulement elles puissent servir au jour le jour la cité, les populations en termes économiques, en termes eh, de développement humain, et en termes de bien-être euh, social et culturel, mais également eh, pour que ça puisse booster l'économie de cette euh, région. Malheureusement, c'est ce que je déplore euh, seulement. Les réflexions qu'ils ont eues, ou bien ce qui a été fait, n'a pas répondu du tout, et à mon sens, à ce à quoi les gens s'attendaient. Les gens bénéficient de la chose, mais il n'y a pas cette volonté de les préserver comme il y en avait au début. C'est vrai, elle est devenue belle, mais malheureusement, et je vous le dis, tout ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas eu ces comités de gestion. Il y a d'autres choses qui ne sont pas finies et qui sont déplorables au niveau de ces constructions, j'en ai arrivé. Et par exemple, et Fad Bangoula, Sofa Kole Bango, Jusqu'à présent, les congés continuent à spéculer là-dessus. À quoi ça doit servir Il y a également notre grand, grand caniveau de Dosso et qui n'est pas encore terminé, qui constitue un danger parce que jusqu'à présent, les voitures continuent à atterrir dans ce ravin. Non seulement ce n'est pas fermé, mais également les devantures de certaines maisons, il n'y a pas eu les dalles et qui servent de pont. Ça, ce sont les grands regrets qu'il y a dans ce 18 décembre. Il y a le, terrain rouge dont on a miroité qu'il sera un terrain complètement adapté et normalisé, en tout cas, mais il n'est pas arrivé. Au stade stade euh, régional, vraiment très bien fait. Aujourd'hui, je me rends compte que après la saison des pluies, vous partez voir, vous allez voir, la peinture n'est pas changée, comme c'est en pierre, les ballons sont en train de s'effriter, la peinture. Tout ça, s'il y a un comité de gestion, tout juste après la saison des pluies, les gens vont repeindre les choses neuves et ça va servir dans ce stade. Et moi, je dis, je le déplore. En tout cas, il est nécessaire qu'on mette un comité de gestion, même si ce comité de gestion ne gardera pas l'argent, au moins des volontaires qui vont avoir un droit de regard là-dessus et faire un contrôle rendu régulier pour qu'on puisse intervenir chaque fois qu'il y aura des désagréments ou bien prévenir des désagréments avant qu'ils n'arrivent. Vous venez d'écouter Moussa Momouni, un journaliste de Dossou. Après Dososoga, ce fut le tour de la région de Maradi d'accueillir la fête euh, dite Maradi Kolia. À cette occasion, à cette occasion, la ville a bénéficié de plusieurs infrastructures administratives euh, et sportives. Un an après cette fête de Maradi Kolia, les mêmes questions se posent pour Dososoga. Les mêmes questions se posent autant que pour Dosso Soga. Moussa Maman, notre correspondant à Maradi, s'est entretenu avec le président du conseil de ville de Maradi en la personne de Ayouba Moussa. Ce dernier fait l'état des lieux, des, réalisations achevées et des réalisations en cours dans le cadre de Maradi Kolia. Nous l'écoutons. C'est vrai, ça fait déjà un an que nous avons fêté Maradi Kolia ici à Maradi. La ville a profité de toutes les infrastructures qu'il faut. La ville a a eu un changement. Quand tu rentres à Maradi, tu as l'impression de rentrer une nouvelle ville que tu connais pas. Donc euh, Maradi a beaucoup profité de la fête du 18 décembre de Maradi Kolia. Certes, nous avons des infrastructures qui sont pas encore finies, comme il y a d'autres encore qui sont presque finies. Quelles sont les, infrastructures qui ne sont pas encore terminées Dans euh, les, infrastructures qui sont pas encore euh, achevées, il y a, l'arène de lutte qui n'est pas finie, il y a la maison des jeunes, il y a l'académie des arts qu'on n'avait pas avant, qu'on a pu avoir euh, dans le cadre de Kolia. Il y a les villas, les, 100 villas qui sont encore en chantier, d'autres sont finis, il y a d'autres qui restent. Et il y a encore les, routes qui sont pas finies. Les caniveaux sont en train de, ils sont en train de faire. C'est presque fini. Un an, qu'est-ce qui a retardé, Monsieur le Président, la finition de ces infrastructures Bon, vous savez, Maradi Kolia, c'est un programme, c'est pas un programme d'un an, c'est un programme des années. Euh, vous l'avez vu, même le président du comité Maradi Kolia, il a, repris sa place. Il a été nommé ministre conseiller et responsable encore de Maradi Kolia. Donc le bureau de Maradi Kolia existe encore. Il y a le bureau à Niamey, il y a le bureau de Maradi. Donc c'est ça continue. C'est un cycle de 3-4 ans. Il y a du retard parce que nous on attend impatiemment que ça, ça finisse, mais quand même c'est pas du retard, c'est une programmation. Euh, D'aucuns parlent que bon, c'est dû euh, à la crise, euh, aux problèmes financiers Est-ce que c'est vrai, Monsieur le Président Bon, les problèmes financiers, c'est un truc mondial, mais, ce c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est un programme qui est là parce qu'il faut faire ça dans chaque région chaque année tout en continuant à faire encore dans les régions où, on où c'est passé. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Il y a d'autres qui sont encore, il y a d'autres entrepreneurs qui sont en train de faire qui sont sur le terrain présentement, qui sont en train de travailler, comme il y a d'autres qui ont arrêté, effectivement, pour d'autres raisons. Mais je pense que ça va reprendre euh, d'ici, d'ici peu. Ce qui a beaucoup marqué les gens de Maradi, c'est euh, cette route double voie qui va jusqu'au gouvernorat avec euh, ce rond-point. Est-ce qu'on prend toujours soin Parce que nous savons qu'au départ, il, y avait, il y avait des herbes, des gazons. Est-ce que jusqu'à présent, la ville continue à entretenir ces infrastructures La ville continue à entretenir la place du gouvernorat, parce que là on a mis une équipe de salubrité qui est là, et reste là-bas pour rendre l'endroit un peu propre. On a eu quelques soucis avec la Seine par rapport à l'eau, ce qui fait que le gazon. Mais là on a un forage au niveau du gouvernement qu'on veut équiper pour permettre d'arroser euh, le gazon qui est là. C'est vrai, dans notre budget de cette année, on est en train de prendre en compte pour qu'on mette l'assainissement en première phase. quoi que les acquis là puissent être euh, sauvegardés. Surtout le grand tronçon, nous sommes en train de voir comment encore aménager la route euh, du défilé la route qui quitte la tribune jusqu'à l'université pour que les anciens occupants qui veulent toujours revenir, pour qu'ils ne reviennent pas. Donc la ville est en train de faire un programme pour, euh, réhabiliter la, voie là, pour qu'elle reste vraiment une, la route du défilé cette fête, quel impact, ou bien ces investissements, quel impact ils ont eu euh, dans la ville de Maradi Bon, la ville a beaucoup profité, nos jeunes ont beaucoup profité. On a trois terrains de, foot dans les communes. Dans chaque commune, il y a un stade qui a été aménagé pour permettre aux enfants de jouer. Nous avons un stade moderne. D'ici deux jours, on va accueillir plus de 1500 euh, étudiants africains qui vont venir euh, pour, des activités sportives. Ça veut dire que nous avons des infrastructures qui, qui répondent. Ça va nous permettre d'avoir encore là où héberger, parce qu'on a eu 100 villages qui sont en train d'être finis. Il y a la case ministérielle qui est finie. Donc, euh, ça a donné l'idée que Maradi peut répondre à des infrastructures d'accueil pour répondre quelle que soit l'activité. Il y aura la première dame qui va venir encore, une grande délégation pour euh, l'université Abachala. Elle-même, Madame Abacha va venir avec une forte délégation. Donc nous serons dans une autre fête d'ici le 20. Voyez-vous, donc euh, si c'est pas qu'on a bénéficié de tout ça de on peut pas on peut pas acquérir des trucs importants comme ça. Donc ça veut que Maradi répond maintenant comme Niamey, comme euh, je sais pas les autres régions à des activités. Et encore d'ici peu, d'ici en janvier, je pense que les infrastructures qui sont finies seront réceptionnées. Le premier ministre va venir pour les orienter le rang point donc peut-être ça va revenir à la mairie pour la prendre en charge. Les villas ministérielles qui sont finies depuis, la ressource définitive, on va remettre ça au gouvernorat. Vous venez donc euh, d'écouter Ayouba Moussa, président du conseil de ville de Maradi. Cap à présent à Agadez où se tiendra dimanche prochain la fête tournante à Agadez-Sokni. D'ores et déjà, tout est fin prêt pour accueillir les hôtes de la fête tournante du 18 décembre 2016. Au niveau de la direction régionale de l'environnement et du développement durable, le colonel Mani Jika, directeur régional de l'environnement et du développement durable, revient sur la situation de la salubrité dans la ville d'Agadez. Il affirme que beaucoup a été fait sur ce plan. Il est interrogé par notre envoyé spécial à Diallo Mariama Kenda. Franchement, depuis 2014 que ces activités ont eu lieu pour l'enlèvement des ordures ménagères, des déchets solides municipaux et des déchets plastiques, il y a eu un abandon et il y a eu une accumulation des déchets dans les dépotoirs, n'est-ce pas, officiels, et aussi des déchets jonchés, les rues. il y a eu pas mal euh, de petites activités ponctuelles mais insuffisantes pour euh, maintenir la salubrité de la ville d'Agadez avant cet événement-là dites avant cet événement, c'est-à-dire deux ans après 2014, euh, aujourd'hui Agadez euh, Sokni, qu'est-ce qui a été fait concrètement au niveau de l'aménagement de ces ordures Bon, pour ce qui concerne euh, cette activité de la salubrité, je viens de vous dire qu'il y a eu des activités, mais très insuffisantes. il y a de cela deux semaines à trois semaines. Les activités ont repris de plus belle et tous les points où euh, les ordures étaient déposées il y a de cela deux ans ont été, ont été enlevées complètement. Également, il y a eu des organisations féminines qui ont été chargées de s'organiser dans les quartiers pour nettoyer ne serait-ce que les espaces, disons les centres d'intérêt, où seront hébergés notamment tous les gens invités pour ce qui concerne cette activité. Alors mon colonel, vous avez parlé des points stratégiques, citez-nous ces points. Bon, si vous voulez les points stratégique, euh, c'est euh, tous ces duplex euh, qui ont été construits pour accueillir les grandes personnalités. Si vous voulez, c'est le centre culturel d'Agadez. Il y a également l'aéroport et le lieu de défilé n'est-ce pas, et etc. Donc il y a beaucoup de centres d'intérêt. Alors au niveau de votre direction, qu'est-ce qui a été fait Si vous voulez, maintenant au niveau de la direction régionale de l'environnement et du développement durable, nous sommes membres de la commission salubrité agresse Socni. Donc euh, tout ce qui est en train d'être fait, c'est au nom de la commission, mais aussi au nom des deux ministères, ministère de l'environnement et du développement durable et ministère de la ville et de la salubrité urbaine. Alors jour J moins 3, on va dire moins 4 jours, jour J moins 4 jours aujourd'hui. Dites-nous, est-ce que vraiment tout est fin prêt, bien sûr du côté de la salubrité, ou bien vous pensez que énormément reste encore à faire Moi, je peux vous confirmer que tout est fin prêt pour ce qui concerne euh, euh, la salubrité de la ville d'Agadez, si ce n'est que les quelques gravats autour de certains chantiers qu'on est en train présentement d'enlever. Mais pour ce qui concerne l'enlèvement des ordures de grande masse, cela n'existe plus. C'est des ordures qu'on a enlevées, on a rendu complètement les places salubres. Pratiquement, vous pouvez vous promener dans la ville d'Agadez et vous allez constater, si vous connaissez Agadez avant, et vous pouvez vous-même faire la situation. Vous comprenez que Agadez est devenu propre. Ça qu'aujourd'hui, à Agadez-Sokni, plus de défis à relever du point de vue, bien sûr, salubrité Nous avons un volet de sensibilisation. Il ne s'agit pas d'enlever seulement des ordures et de dire que c'est fini après la fête. Donc, euh, c'est ça seulement l'objectif. L'objectif premier, si vous voulez, c'est d'accueillir nos, nos invités vraiment dans des conditions salubres adéquates. Mais également, euh, on a un volet sensibilisation pour continuer cette activité au niveau même de la population pour qu'elle comprenne. Parce que déjà, elle a vu elle-même chez elle, c'est propre. Et nous continuons à demander à la population de maintenir cette ville propre. Alors aujourd'hui, pour terminer, quel est le challenge qui vous reste après Agadez, Sokni Bon, euh, c'est qu'il faut que la mairie soit équipée de matériel adéquat. Et il faudrait que euh, la mairie d'Agadez s'adonne également à cette activité. Il faut que ça soit son problème à elle, parce que euh, nous, nous sommes là pour euh, sensibiliser, pour chercher des bailleurs de fonds et pour pouvoir nous aider à à relever le défi mais c'est vraiment la compétence euh, directe ou la responsabilité directe de la mairie de bien vouloir euh, suivre, n'est-ce pas, euh, l'enlèvement des ordures et de continuer à sensibiliser la population en mettant des équipements adéquats au niveau des quartiers, suivi des sensibilisations permanentes et le contrôle d'utilisation dans les grands centres commerciaux, dans les marchés, dans les, dans les gros quartiers où les gens vraiment mènent des activités de façon désordonnée. Il faut les ordonner, il faut les sensibiliser pour les amener à comprendre l'importance de la salubrité. Et aussi l'aspect caniveau. Bien sûr, ça, vous parlez de l'assainissement. Vous voyez, donc, euh, Agadez est mal équipé en ce qui concerne, n'est-ce pas, les caniveaux, pour ce qui concerne l'assainissement. Mais considérez que cette fois-ci, avec, euh, à l'occasion de ces festivités, Agadez est équipé d'un certain nombre de caniveaux et, l'orientation des eaux de pluie est, claire, puisque, euh, en tout cas, beaucoup d'eau qui se stagnait auparavant avant ont été canalisés de la manière qu'il n'y aura plus euh, des eaux qui vont stagner de façon anarchique au centre de la ville. Colonel Mani, merci beaucoup. Restons toujours à Agadez pour signaler que le premier vol charter de la France pour Agadez-Sokni a atterri hier à 12h30 avec à son bord une soixantaine de touristes. L'arrivée de ce premier vol suscite beaucoup d'espoir pour les autorités d'Agadez, du moins c'est ce que nous explique le directeur régional du tourisme et de l'artisanat. Il affirme que c'est le début du redémarrage des activités touristiques à cette région qui est dans cette région d'Agadez qui a su passer de la zone rouge à la zone orange. Écoutons Abdou Harouna Baba, directeur régional du tourisme et de, l'artisanat. Il est au micro de notre envoyé spécial Diallo Maria Makenda. C'est des gens qui ont plus ou moins des affinités avec euh, les gens d'Agadez. Ils les connaissaient depuis le temps du grand tourisme. Malheureusement, depuis une certaine période où euh, on a connu quelques problèmes, ces gens-là ne venaient plus. Donc on a profité de Agadez Sokoni maintenant pour leur faire venir. Et ce sont leurs amis qui sont à Agadez qui les ont pratiquement invités pour venir, euh, ne serait de découvrir les événements qui vont passer à l'occasion de la fête. Je peux dire que ça, ça pourrait être le point de départ du tourisme dans la région d'Agadez compte tenu de plusieurs facteurs qui ont miné le développement du tourisme dans notre zone. Mais nous espérons avec l'arrivée de ce premier vol charter, qui c'est le point de départ du tourisme dans la région d'Agadez, comme on le connaît avant, qui était vraiment un tourisme florissant, là où la population, tout le monde retrouve son compte. Nous sommes confiants avec l'arrivée de ce vol charter, que c'est le démarrage du tourisme dans la région d'Agadez. Vous venez de suivre Abdou Haruna Baba, directeur régional du tourisme et de l'artisanat, qui répondait aux questions de Diallo Maria Makenda. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu à Agadez. Sur la radio Nomad FM. 101.9 FM à Tilabé. Sur la radio Tebouassi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu. Nous poursuivons ce forum avec, euh, cette fois-ci, euh, nous irons dans le domaine de, de l'académie. Les auditions de doctorants se poursuivent depuis hier à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce matin, c'est le doctorant en géographie Aboubakar Balla qui a présenté son thème euh, Enjeux autour des usages primitifs de la rue à Niamey, tel est l'intitulé de sa thèse. Il s'explique euh, au micro de Habibou Garba qui était ce matin. En fait, quand on parle déjà des usages privatifs euh, de la rue, on sait qu'on est pleinement dans l'actualité. Ce sujet, effectivement, c'est une suite euh, logique du sujet que nous avons fait en année de 2A qui était sur euh, de comprendre le fonctionnement et la morphologie des rues. C'était une étude bibliographique et cette étude bibliographique nous a vraiment franchement permis d'aborder sans grand problème ce sujet. Nous avons très vite compris que la manière dont on occupait les rues et avec euh, la connivence euh, euh, des pouvoirs publics nous savions que d'un moment à l'autre, un jour que ça allait dégénérer. Et les seulement aujourd'hui auxquels on a assisté, on a vu qu'ils ont fait le tollé et qu'ils ont occupé l'actualité et qu'ils continuent d'ailleurs à occuper l'actualité, si bien que on ne sait même plus maintenant qui de l'État, qui des usagers a tort. C'est pourquoi nous, nous avons voulu faire euh, cette contribution en ce sens pour amener les décideurs euh, de pouvoir euh, se repositionner comprendre que nous sommes euh, ici dans une euh, société où il faut comprendre autrement l'exploitation de, la rue, qui ne peut plus être euh, une rue à usage de circulation. Il faut bien que les choses euh, changent parce que nous, chez nous, ici, le social compte beaucoup. Et c'est en ce sens-là que nous avons voulu faire des propositions d'aménagement de la rue en vue de son exploitation. La cohabitation au niveau de la rue, elle s'impose. On doit avoir une solution nous pensons que qu'au sortir de notre thèse, nous allons faire des recommandations peut-être qui vont servir d'éléments de prise de décision au niveau des pouvoirs publics. On sait qu'aujourd'hui, unanimement, que les pouvoirs publics ont été condamnés. Nous, en tant que chercheurs, ce n'est pas tout à fait notre position, mais nous pensons que peut avoir une intersection entre les deux parties, c'est-à-dire euh, sans qu'on ne soit de la part de l'État et sans qu'on ne soit de la part des usagers, de la part de l'État parce que l'espace tel qu'il a été conçu, il faut bien qu'il soit ainsi. Mais s'il y a des modifications à faire, il faut que ce soit des modifications qui cherchent en fait, à donner une certaine esthétique à la ville. Alors, euh, des recommandations ont été formulées à votre égard pendant la présentation. Quelles sont les recommandations que oh, euh, Moi, je veux vous dire euh, quelques-unes des recommandations. D'abord, c'était la sensibilisation. La sensibilisation à quel niveau la sensibilisation au niveau d'abord de la cohabitation. Il faut qu'on sache que la rue, c'est une ressource qui doit être exploité d'une manière euh, la plus sociale que possible, c'est-à-dire euh, c'est créer autour de la rue une sorte de savoir-vivre ensemble, une sorte de cohabitation, donc euh, une cohabitation à partir de laquelle tout le monde va en tirer profit. Si je prends l'exemple d'un usager, un, tablier qui a un kiosque, quand il s'installe, on doit savoir que d'abord, il va chercher de l'argent, c'est vrai. Il va, il va soutenir une famille avec euh, le revenu qu'il va avoir. Et de l'autre côté, la contrepartie, c'est que les riverains, ils ont là un service de proximité à côté. Et de l'autre côté, l'État peut toujours avoir des prélevés des taxes sur euh, l'exploitation, l'usage qui est fait de la rue. Le problème, c'est que il faut savoir organiser les gens. Vous venez d'écouter Aboubakar Balla, un doctorant en géographie qui répondait aux questions de Habibou Garba. Parlons cette fois-ci d'édition des livres. Ici au Niger, les écrivains sont confrontés à une difficulté qui est l'édition Ibrahim Manzo. Lui est un jeune écrivain herbe qui vit à Agadez. Il nous parle ici de ses débuts tout en déplorant le manque de maisons d'édition adéquates au Niger. Depuis ma tendre enfance, j'ai commencé à griffonner des, des petits poèmes depuis pratiquement le collège. J'écrivais des petits contes. Ce qui m'a motivé, c'est cette envie folle d'extérioriser ce que j'ai sur le cœur, de dire euh, à travers euh, l'écriture ce que je ressens, mon ressenti à moi d'abord, oui, et après euh, ce que je vois autour de moi. J'avais toujours eu envie de le dire à travers les mots, de les dire à travers euh, Parlez-nous d'une de vos œuvres que vous avez eu à produire. mon dernier roman s'intitule Unzad ou le destin de Daïcha. C'est un livre euh, qui nous plonge dans l'intimité de la culture nomade, notamment Touareg euh, du Nord-Niger. Et c'est un livre qui va vraiment euh, dans le sens de crier euh, dire non à la perte d'un instrument de valeur chez les Touaregs nomades, c'est-à-dire la perte de l'imdad, le violon monocorde. J'ai parlé à travers ce roman euh, de la douleur qui m'a dit de voir cet instrument qui a toujours été le véhicule des valeurs ancestrales chez les nomades Touaregs mais aujourd'hui, cet instrument euh, est devenu euh, pratiquement euh, absent. Et c'est un roman qui, qui, a beaucoup plu au Premier ministre du Niger, Birgit Rassini, qui a même bien voulu le préfacer. Et c'est un livre qui a été tiré à 1000 exemplaires Actuellement, au moment où je vous parle, je n'ai aucun exemplaire à, réserve, cest ça été vendu. L'une des principales difficultés de l'écrivain africain et nigérien surtout, c'est l'édition. Comment vous, jeune écrivain, vous vivez cela euh, L'édition est très difficile le pour les écrivains en herbe, pour ceux qui veulent euh, faire cette activité un métier très difficile. J'ai commencé pratiquement à écrire euh, depuis mon jeune âge, comme je le disais, mais je vous assure, euh, pour pouvoir éditer mon premier écrit de poèmes, il a fallu que je me saigne aux quatre il a fallu que je dérange ma famille pour qu'on puisse m'aider pour aller payer une impression. Pratiquement la seule édition que j'ai eue, ça a été le livre ou les étoiles de Daïcha, qui a été édité par euh, Afrique Sud, une maison d'édition qui a aimé. c'est un brave euh, compatriote euh, qui, m'a aidé à travers cette maison d'édition à éditer ce livre. Vraiment, il nous a aidé à le faire gratuitement parce qu'il il a cru au roman qui s'est présenté. Donc, il nous a aidé. C'est pas facile au Niger d'avoir une édition. C'est pas facile pour les jeunes écrivains d'être édités, sauf si c'est à compte d'auteurs. Et ça, vous savez, c'est un coût c'est très cher, c'est pas facile. Et pourquoi c'est pas facile Parce que d'abord, s'il n'y a pas de maisons d'édition, c'est qu'il il n'y a pas du tout une bonne politique de l'État dans ce domaine. Il faut que l'État du Niger aide les maisons d'édition, aide à l'émergence de ces maisons d'édition. Il faut qu'il les aide à soutenir le coût des, éditions. C'est-à-dire, il faut qu'on pense par exemple, à détaxer certains produits qui utilisent euh, ces maisons d'édition pour que ces dernières aident à leur tour des jeunes écrivains. Mais malheureusement, c'est pas ça. C'est très difficile euh, pour un jeune éditeur euh, de faire carrière dans le domaine parce que il doit faire face à beaucoup de charges. Si se faire éditer ici est difficile, alors vous n'avez d'autre recours que d'aller dans des maisons d'édition à l'étranger. Là aussi, on sait que c'est pas facile. Franchement, moi, je n'ai jamais voulu me faire éditer ailleurs. Pourquoi Parce que je suis d'abord le produit de chez moi. Je voudrais qu'on me connaisse d'abord chez moi, qu'on me lise chez moi, qu'on me comprenne chez moi. Donc, euh, aller l'Hexagone pour être édité. Et ça aussi, il faut payer. Ça a un coût, c'est très cher. C'est très difficile d'abord pour qu'une maison d'édition étrangère accepte d'abord le manuscrit parce que de plus en plus, les gens ne s'intéressent pas à la lecture. Donc, elle est c'est du business qu'il fait. Produit un, ouvrage en pensant faire un bénéfice de cette production. Si la maison d'édition n'a pas cette garantie de pouvoir vendre, de pouvoir écouler le produit, je vous assure qu'elle ne prend pas en charge les frais d'édition. Des fois, ils vous disent, euh, ces éditeurs, bon, écoutez, on va faire... Euh, 50-50, nous on prend en charge une partie, vous, prenez en charge une partie. On vous donne une partie des ouvrages euh, édités, à vous de les vendre et nous à notre euh, niveau on met en vente euh, ces, livres. Donc vous voyez, c'est pas facile de dire clairement qu'on peut avoir une édition à l'étranger parce qu'elle coûte cher et il faut vraiment, il faut vraiment produire bonne qualité pour pouvoir être. Présentement, comment faites-vous pour produire vos œuvres Qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, on, on, approche pratiquement, et ça, c'est pas mon cas seulement, c'est presque tout le monde. Euh, on approche les imprimeries qui sont à Niamey, et on part, on négocie le prix d'une impression et l'imprimerie maintenant, et qui, finalement doit normalement avoir un, un comité de lecture pour pouvoir le faire, mais je ne pense pas si toutes les imprimeries ont ces comités de lecture et on imprime seulement ce que l'auteur a, produit. Donc vous voyez, c'est très difficile de ne pas avoir des coquilles, de ne pas avoir un travail euh, de qualité. Qu'est-ce qui explique le fait euh, qu'au Niger, il n'y ait pas euh, une seule bonne maison d'édition Je me dis que c'est parce que l'État a cessé de croire à la capacité intellectuelle des jeunes écrivains. C'est-à-dire, l'État n'accompagne pas ses talents comme il a l'habitude de le faire dans le temps. C'est-à-dire, s'il y a eu des grands écrivains au Niger, c'est parce que un temps, l'État croyait en eux, croyait à leur talent, et Mais malheureusement, de plus en plus, l'État fait face à des charges euh, supplémentaires. Il faut que l'État réponde à d'autres questions urgentes que d'investir dans la création des maisons de vie. Pour en finir, comment donc euh, trouver des solutions pratiques à ces, à ces problèmes Je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait une bonne politique euh, national dans le cadre de l'édition. Il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience des écrivains du Niger et des écrivains en air du Niger. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. C'est-à-dire, il faut que les écrivains puissent sensibiliser leurs jeunes frères aussi à produire un travail de qualité, à produire euh, vraiment un travail qui peut plaire au-delà même de nos frontières. Et pour ça, ça peut amener l'État à s'intéresser à nouveau à ce domaine. Merci, Monsieur Ibrahim. merci beaucoup. Vous venez d'écouter là une rediffusion d'un entretien euh, entre Ibrahim Manzo, un écrivain en herbe à Agadez, et notre reporter Nafisa Adamou Sirfo, entretien réalisé il y a de cela euh, six mois. Le monde entier a célébré à main dernier la journée mondiale de l'asthme. C'est une maladie qui touche toutes les tranches d'âge et s'observe de l'enfance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 150 millions de personnes dans le monde souffrent d'asthme, dont plus de 180 000 décès décès enregistrés par an. Au Niger, il n'existe pas encore de chiffres mais de nombreux cas sont signalés dans les différents centres hospitaliers du pays. À l'occasion de cette journée, notre reporter Railato Soumana s'est entretenu avec euh, Dr Gagara Issoufou Madougou à pneumologue à l'hôpital national La Mort de Niamey. Voici ce qu'elle nous dit. Docteur, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'asthme. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, l'asthme, qu'est-ce que c'est C'est une maladie qui touche les bronches. Donc il parle de bronches, il parle de conduit c'est-à-dire le tuyau qui apporte de l'air dans les poumons. Ce tuyau est atteint, il est réduit par son calibre, c'est-à-dire euh, l'air a du mal à rentrer dedans. Donc c'est ça qui va entraîner chez le malade une toux parce qu'il cherche à se défendre. Il y a la toux qui est là de façon permanente. Il y a la respiration qui est gênée, c'est-à-dire le patient a du mal à respirer. Et puis, deux fois, il sent une douleur de la poitrine. Et le dernier, c'est que des fois, on entend une respiration sifflante. Donc tout ça, ça dure sur un temps avant que le patient se rende compte qu'il y a un problème qui est là et c'est l'asthme. Comment cette maladie euh, est-elle contractée Bon, généralement, l'asthme, il a une composante héréditaire et une composante non héréditaire. Selon les statistiques, 40 à 50 des malades si les deux parents sont asthmatiques, ils vont faire de l'asthme. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. Si un des parents est asthmatique, dans 20 à 30 l'enfant va faire de l'asthme. Et puis, il y a une autre catégorie où, dans 15 à 20 généralement, il n'y a aucune composante héréditaire. Donc, l'asthme, ça peut ne pas être héréditaire. Donc, euh, cette maladie a-t-elle euh, des éléments déclencheurs ou pas si, si, surtout dans l'asthme allergique. bien que même dans l'asthme non allergique aussi, il y a des facteurs qui peuvent le déclencher. En tête de liste, vous avez la poussière de l'environnement ou la poussière des maisons. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle les allergènes. Donc, euh, ce sont des, composantes euh, de l'allergie. Donc, dans ces allergènes, vous avez les acariens qui sont des poussières des maisons qu'on trouve dans les moquettes, dans les matelas Ensuite, vous avez les blattes. Les blattes sont les cafards et les poils de chiens et de chats, les moisissures. Vous avez le pollen, c'est-à-dire les fleurs. Il y a aussi l'allergie alimentaire. Dans notre contexte, les plus incriminés, c'est surtout les crevettes, les criquets. Donc, il y a plusieurs allergènes. En dehors de la poussière, les allergènes, vous avez ce qu'on appelle les conditions climatiques. C'est-à-dire, il y a certains patients qui sont allergiques soit au froid, surtout le froid. Et aussi, il y a d'autres, c'est la chaleur qui déclenche leur crise. En dehors de ça, il y a l'asthme qui survient dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, c'est des patients, eux, quand ils sont à la maison, ils n'ont pas de problème de l'asthme. Mais dès qu'ils partent dans leur milieu, parce qu'il y a des substances qu'ils ne supportent pas, donc ils déclenchent leur crise d'asthme. C'est l'exemple des boulangers, des coiffeuses, etc. Est-ce que l'asthme a un traitement On en guérit euh, complètement ou pas J'ai oublié dans la définition de vous dire que l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique des bronches. On vit avec, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Donc, elle a un traitement. Il y a un traitement de la crise quand ça survient et il y a un traitement qu'on appelle le traitement du fond. C'est-à-dire, il y a un traitement commun au patient et on l'observe pendant trois mois. Au bout de trois mois, on fait le point pour voir est-ce que ce malade est en train de faire les crises ou pas. Donc s'il ne fait plus de crise, on arrête le traitement et on surveille. Ce qu'on constate ici, les gens ne font pas le traitement de fond. J'insiste trop sur cette partie. Parce que généralement, la plupart des agents de santé, quand ils reçoivent un malade en crise, ils traitent la crise et ils laissent le malade dans la nature. Ça, c'est pas bien. On doit lui mettre ce qu'on appelle le traitement de fond sur trois mois pour voir, évaluer après s'il doit continuer ou arrêter le traitement. Et c'est la partie la plus importante parce que qui dit maladie chronique dit un traitement chronique. Donc si vous arrivez à stabiliser le malade, il va faire ses activités quotidiennes de façon normale sans qu'il soit perturbé dans son travail. Les malades, il faut les faire venir vers les spécialistes pour qu'ils puissent mettre le traitement de fond et que le malade puisse bénéficier d'un meilleur suivi. Il y a certains malades qu'on voit avec euh, des espèces de, je sais pas, ils appellent ça inhalateurs. Oui, en fait, son traitement de fond de l'asthme, c'est les formes spray. Par exemple, la ventoline que les gens en abusent, la ventoline est utilisée uniquement en cas de crise. Mais il y a d'autres formes de spray qu'on utilise dans le traitement de fond. Ils n'ont aucun effet secondaire ou effet indésirable. Donc le malade le prend et puis il est stable. Les nébulisations ne sont utilisées qu'en cas de crise sévère. Quels sont les comportements que doivent adopter les asthmatiques les asthmatiques, il faut qu'ils soient d'abord euh, éduqués. Parce que s'ils ne sont pas éduqués, si je parle d'éducation des asthmatiques, c'est le volet le plus important de son traitement. Il faut expliquer à l'asthmatique qu'est-ce qu'il a comme maladie. Parce que si vous ne lui expliquez pas, dès qu'il va mieux, il va arrêter son traitement. Donc c'est surtout qu'il soit discipliné. Ça veut dire que si un malade devient chaque fois vers le professionnel de santé, c'est qu'il n'est pas bien suivi. Et dans sa discipline, c'est quoi hygiène de lui-même et l'hygiène de l'environnement. L'environnement, on a cité tous les facteurs qui peuvent déclencher l'asthme. Tout ce qu'il peut éviter, il faut qu'il l'évite pour qu'il puisse stabiliser son asthme. Et en dehors des facteurs euh, déclenchants, il faut qu'il prenne de façon régulière son traitement. Parce que s'il saute les prises de traitement, ça ne peut pas aller, son traitement de fond. Donc il faut lui expliquer l'intérêt de prendre ces traitements et surtout il faut superviser ces prises de traitement. Parce que même si vous prescrivez le produit le plus efficace du monde, s'il ne sait pas comment le prendre, il ne saura pas comment l'utiliser. Donc il faut surtout insister sur le mode d'utilisation. Il y a un nombre que vous enregistrez ici euh, à votre service euh, pendant les saisons Bon, il faut se dire que, et, généralement, nous, ce qu'on reçoit ici, c'est des cas difficiles. C'est des malades qui sont traités ailleurs, dans d'autres formations sanitaires. C'est quand ça va pas que les gens nous réfèrent. Alors que normalement, on doit nous référer même les cas simples pour qu'on puisse mettre le traitement de fond. Parce que tout le problème de l'asthme, c'est le traitement de fond. Donc, en moyenne, on a deux fois 300 à 400 patients par an. Mais beaucoup plus de malades pendant la période froide et pendant la saison pluvieuse. Et en moyenne, sur les 300-400 qu'on a, la moitié, c'est pendant la période du froid qu'on a. Donc à peu près, on a 150 et pendant la période du froid et une centaine pendant la période euh, pluvieuse. Donc tout le reste, euh, il n'y a pas beaucoup de malades dans les autres saisons. Vous venez de suivre les explications de docteur Gagara Issoufou Madogo Asiatu, qui est docteur, donc qui nous expliquait les, problèmes de l'asthme qui est une maladie chronique euh, des, des, bronches. Propos recueillis par Railato Hassan Soumana. Et c'est sur cet élément santé que s'achève ce forum de ce soir. Merci à toutes et à tous euh, de l'avoir suivi. Rendez-vous et pris demain, même heure, euh, même fréquence, mais avec Hamadou Moumouni pour d'autres actualités. Bonsoir. Studio les programmes du studio Kalangou à Niamey sur la radio Amphani 100 FM et sur la radio Alternative 99.4 FM à Agadez sur la radio Nomade FM 101.9 FM à Arli sur la radio Ikokan 95.1 FM à Difa sur la radio Amphani 100 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tirozirin sur la radio Azuru 95.1 FM à Pilengi sur la radio Mourir Talata 95.1 FM à Tilaberi sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Zender sur la radio Shukra 105.5 FM Studio Kalangu Studio Kalangu les programmes de Studio Kalangu à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilabé sur la radio Tebonsi 97.5 FM à Maradi sur la radio Garkwa 107 FM à Filengue sur la radio Mouriatalata 95.1 FM à Difa sur la radio Anfani 100 FM Studio Kalangu Studio Kalangu de Niamey à Arlit, de Tilaberi à Difa. Suivez les programmes du studio Kalangou sur votre radio. Studio Kalangou au rythme du Niger. Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook. La page Facebook du studio Kalangou. J'aime et je partage.